Rare de voir ce trio sur le même présidium, Abdoulaye Timbo, maire de Pékin, Abdou Karim Sall de la RTP et le ministre de la Jeunesse, Pape Gourguindong, ont été réunis par l'adjointe au maire de Yamagan sikambao Aminata Ndiaye, Makissal. Il nous a tellement euh, euh, aidés aidé par rapport à l'électricité. La commune, elle est, électrifiée. Euh, Madame Sarr est revenue là-dessus. Il y a autre d'autres réalisations par rapport au social, par rapport à l'économie, donc euh, tout, ça, euh, euh, tout ça fait de sorte que nous, population de la commune de djamogensika sikambao nous devons remercier le président de la République, l'encourager et faire de sorte que la population de djamogensika adopte sa population, mais faire de sorte aussi qu'il réussisse le, le président. Une mobilisation de taille pour vaincre l'opposition dans la commune les responsables de la paire de Diamagun Sikambao sensibilisent sur le parrainage les 105 000 que demande le président de la République, qu'on puisse les récolter au niveau de la commune. Parce que nous savons que la PR et le Benno sont les seules entités politiques qui existent au niveau de la commune. Donc nous faisons de sorte, en tant que responsables, de descendre sur le terrain, euh, d'informer la base, mais aussi de faire de sorte qu'il y ait de bonnes signatures, de bons, euh, de, bons euh, choix pour euh, qu'on puisse euh, porter le choix du président de la République. C'est normal, ils sont dans leur rôle, mais nous, nous sommes là depuis 2000, nous, savons ce que représente l'opposition au niveau de notre commune. Nous nous faisons de sorte que nous allons gagner largement la commune de Djambogur-Sikambao. Aminata Ndiaye, a été honorée par les femmes de sa commune, elle, engagée pour la réélection de Macky Sall, s'active dans le développement social. Li jafena lol ngir gis ñetti ci même présidium Abdoulaye Timbo maire bu Pikine Abdou Karim Sall bu ARTP ak ministre bi omi ndaw mi Pape Gorgui Ndong ñoom nag dañoo au maire de Diamaguène Sikambau, Mbao Aminata Ndiaye Diaité di rassurer Macky comme d'habitude Diamaguène Sikambau mon moom bu soobee yalla namu daan démé rek lay parce que Diamaguène Sicap fier du président de la république.

leer na suñu bilan rafet na suñu bilan liggéeyal nañu suñu bilan mën nañu suñu bilan moo ñu yóbbu au premier tour incha allah. parrainage bi aussi ñoo ngi ci ñoo ngi porte à porte di expliquer nit ñi lan mooy parenage parce que dañuy bañ ëllëg problème am erreur am ñaari ñaari ñaari signature du am ci commune si Sicap Mbao. ndaje mi nag dañ ko amal ngir sargal kii di Aminata Ndiaye Diaité. moom nag dafa engagé wu ngir falaat Macky Sall te itamit dafa yëngu ci wàllum développement ak social